alaikum wa Sénégal Je suis le capitaine Touré bu officier adjoint section de recherche la gendarmerie de Colobane ce matin gis ngeen ne dama posté benn message sur sur Facebook di wax que dama démissionner parce que j'étais suivi par des personnes dont j'ignorais la vraie intention intention effectivement c'est vrai à l'heure où je vous parle je suis à Touba et je me sens en sécurité et dans mes déclarations également je demandais la démission du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice et du procureur de la République. Et je réitère tous ces propos. Quand j'aurai l'occasion de parler aux Sénégalais, je les parlerai en toute sécurité. Toutefois, je voudrais appeler les Sénégalais à éviter de détruire les biens publics, éviter de saccager les stations d'essence, éviter de... de, de, de, de des li di di ñun ay station d'essence di yak, ay ay kër di yak loolu ñun ñoo ko moom boo leen ko yàqee Macky Sall dem bàyyi ñu fi